bisa kan shirin duka mu haɗu fada da studio Kalangu take shirya ma duka matasan Niger. Après les shows de la cérémonie de mariage et l'argent dépensé à l'occasion, d'autres défis attendent les jeunes mariés. C'est la gestion quotidienne du foyer, la stabilité du couple et plus tard l'éducation des enfants. An kawo amarya, gidanta, kuma kowa ya watsa yanzu za a bar amare avec nos jeunes mariés, nous allons aborder ce sujet qui, quelquefois, préoccupe beaucoup de jeunes couples. Comment m'organiser, comment gérer les temps de crise et surtout plus loin, quelle éducation donner à mes futurs enfants Ce sont des questions que se posent euh, la plupart des jeunes mariés. Au menu de ce numéro, des témoignages, des réactions des invités, de la musique et la chronique d'Olivier pour folklore ce numéro. Tadamou, Mounada, Madame euh, Al-Mustafa Zainab, elle est jeune mariée. Et très Zainab, elle est Comment on a gagné à Monsieur Mustafa Ahmadou de l'association Fauzia, Oustaz Inaouni. Donc, Monsieur Moussa Noufou, Abdul Kadri, ça va Vous allez bien Voilà. Donc, euh, avant de donner la parole à nos invités, écoutons ce micro-trottoir réalisé par notre reporter de choc, Rukaya. Elle a rencontré des jeunes pour savoir quelles sont les plus grandes difficultés rencontrées par les jeunes couples. Les jeunes couples, bon, ce qu'ils doivent faire, c'est de s'entendre, de s'aimer, de se respecter. Ce qui change beaucoup ici, bon, je sais c'est le manque d'attention même ou bien l'infidélité. Si aujourd'hui, si tu te maries une semaine après et que tu tu rentres tard, ça c'est de l'infidélité, on peut dire. Vous allez voir un jeune qui n'a pas de travail stable. Il va voir la famille et il dit, bon, de cotiser pour lui, les parents à mes connaissances cotisent, il se marie et ensuite c'est tout un problème. Il n'y a pas de moyen de nourrir la femme et les enfants. Deuxièmement, il y a aussi beaucoup le facteur éducatif et religieux qui joue, qui pèse énormément là-dessus. On encourage bon, les jeunes à se marier, on dit que bon, voilà, c'est Dieu qui nourrit l'homme. Mais non, ça, ne marche pas comme ça. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Et aujourd'hui aussi, malheureusement, beaucoup de jeunes aussi se marient juste pour satisfaire leurs besoins. Je vous donne l'exemple d'un jeune qui me dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui, lui, il veut se marier pour que ça soit halal. En fait, euh, pour que les jeunes couples, après les mariages, pour qu'ils ne se divorcent pas trop tôt, ils n'ont qu'à vraiment tenir leur couple. C'est-à-dire, même si certainement il existe plein de disputes dans, dans un foyer conjugal, mais ils n'ont qu'à vraiment s'y patienter. L'infidélité en couple, pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut tolérer, puisque vous, vous êtes jugé de vous aimer et de vous marier. Donc après le mariage, je crois bien que vous êtes obligé d'être fidèle envers vous. Donc ça ne vaut pas la peine d'aller faire l'infidélité de l'autre côté ku gare ku wani irin matsaloli ne suke ɗarme ma a sabin ma'aurata ga sanan sun yi arme wani irin matsaloli ne ke tada musu hankali wani irin problem ne suke samu bayan aure dai c'est surtout le, le marié qui est chef du, chef du foyer qui s'occupe de tout et en tant que épouse c'est vrai on constate que il y a des difficultés parce que le le mari a tout dépensé. Il a tout dépensé, donc c'est des difficultés après le mariage, avant de se, <laughs> de se relever. Donc, euh, les, invités qui viennent, les invités qui viennent toujours pendant un mois, tout ça, il faut les nourrir, c'est des dépenses, c'est vraiment des difficultés. Oui, ça, c'est tout juste le premier problème qu'on constate hmm. après le. Oui, oui, oh, oui. Mais bon, ça, c'est. Ça va passer. C'est juste un moment après, ça va passer. Hmm. Effectivement, comment il y a vu que moi, j'ai pas beaucoup d'expérience dedans, <laughs> juste une semaine. <laughs> Mais quand même, tu peux nous dire ce qui te fait peur. Qu'est-ce que tu as peur de ne pas pouvoir euh, assurer peut-être Même les dépenses, tu arrives à faire face. Oui, oui, vu que avant le mariage, j'ai au moins réservé quelques sous. Puis qu'après, il y, y, a des dépenses après le mariage. Donc, je me suis préparé pour ça. Vraiment, je me suis préparé pour ça. Donc, euh, jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Donc, tout est une question d'organisation. Vu que, vu que moi, j'ai choisi la date fin, fin du mois. Vu qu'après, <laughs> il y a quelque chose qui tombe après. <laughs> Même si j'ai tout dépensé, <laughs> juste une semaine après.

Euh, d'avant le mariage. Parce que le mariage, on le fait, je vous dis, selon l'islam, pour les meilleur et pour les pires C'est-à-dire vous allez le faire, c'est pour tout, vous planifiez tout ce que vous allez faire à partir de ces jours-là, où on amène la femme chez elle. Vous planifiez tout ce que vous allez faire dans 90 ans. Ce n'est pas une planification d'une semaine, d'un mois ou des choses, non. La planification de toute la vie. Et ça, qu'est-ce qui peut vous aider à le faire ce sont les engagements d'avant les mariages qui vont vous aider à les faire. C'est-à-dire, est-ce que kaga yarinya kun zanta ya eh, bisa mi ka tsaya da paske ba nan ba kana gidan ku tana gidan su can in ta gidan ka ne ake diba mi kuka tsaya da tsakanin bisa mi kuka ta kai da ita Zainab euh, quand on entend des mariages qui sont rompus après un mois, deux mois, donc ça veut dire que les problèmes qu'on rencontre ne sont pas seulement d'ordre euh, d'ordre financier. Ah oui, donc on peut, euh, les, jeunes couples peuvent rencontrer d'autres problèmes en dehors du manque d'argent, par exemple. Exactement. Moi, je pense que c'est surtout, genre, euh, quand tu seras chez moi, je te ferai ceci, je te ferai cela. <laughs> voilà. <laughs> Avant le mariage. <laughs> donc, après le mariage, la femme vient, elle ne voit rien. C'est pas exactement ce que l'homme a promis et il n'y a rien. Donc, du coup, elle commence à. Les problèmes commencent. Moussafa, on entend souvent dire que juste après le mariage, l'homme change. Selon toi C'est ça, hein C'est ça. Oui, c'est ça, ça, effectivement. Et pourquoi les hommes changent alors <laughs> Dis-nous, dis le jeune marié, tu, prévois aussi de changer Non oh, Non, non, moi je n'ai pas changé. Ah, tu n'as pas changé. Hein. tu vas rester comme tu, tu es. qu'une semaine. <laughs> En tout cas, moi, je ne l'ai pas changé. <laughs> D'accord. C'est bon. Eh, je ne le, souhaite hein. pas après. Il <laughs> ne faut pas changer. Reste comme tu es. <laughs> voilà. Donc, euh, tout ça, la fada, c'est aussi euh, de la musique. Vous le savez, écoutons Waouh de Viviane Chirid. l'organisation. Comment les jeunes s'organisent de nos jours <laughs> C'est vraiment difficile hein, parce qu'il faut s'adapter. C'est une nouvelle vie. s'organiser, ça vient au fil du temps. C'est pas tout de suite vraiment parce que moi je suis <laughs> en train d'apprendre jusque-là. Ça fait quoi 7 8 mois que je suis mariée mais je j'apprends à m'organiser. C'est vraiment toujours des, choses nouvelles et il faut s'adapter, il faut faire face. Parce que bon, c'est pour toute la vie, c'est pas juste pour, euh, pour un mois ou deux mois. mais, mais, quand même, quand même, facture, ce n'est pas automatique c'est vrai que <laughs> bon on se dit bon l'homme il paye tout ça il paye c'est son rôle, il paye l'électricité, il paye l'eau, il paye le loyer si vous êtes dans une maison à, à payer. Et il donne euh, de quoi la popote, la femme prépare tout ça. Mais ça, c'est ce qu'on dit, mais dans le, les faits, ça arrive que c'est l'homme qui va préparer. Parce que la femme a autre chose à faire, tout ça. Ou bien des fois, ça arrive que, bon, il n'a vraiment pas de quoi payer l'électricité, il n'a vraiment pas de quoi, si la femme a, si elle peut le soutenir. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui viennent des fois comme ça, il faut savoir faire face. Hmm ça donne des conseils moi <laughs> donc mais déjà tu as des plans comment tu comptes organiser tu, veux aussi cuisiner bon ça dépend hein. ça au moins <laughs> ça, peut arriver je peux l'aider à toute fois hmm. si elle n'arrive pas à le faire si je si moi je peux le faire vraiment sans doute moi je peux le faire je le ferai ça ça ne me dit rien vraiment les fêtes de cuisiner là. Oui. Ah, non, non. Mais déjà, tu es prête à payer les factures, euh, le loyer, tout ça, là, tu t'es préparé. Normalement, c'est comme ça que ça se fait ici. C'est les maris qui font tout ça, non c'est Oui, c'est les maris. Le, loyer, les gens des condiments, tout, tout, tout, tout, c'est les maris. Là, je me suis préparé pour ça. Vraiment. Mm. <laughs> Et les femmes, les femmes, normalement, c'est quoi La cuisine C'est la cuisine, s'occuper de leur mari, le ménage, tout, tout, tout, tout.

Certes, je ne le souhaite pas, mais ça peut toutefois arriver. Si, si elle, elle a décidé de m'aider, je ne peux pas refuser. Mais si elle refuse, je ne la pas. Vraiment. Je peux me débrouiller. <laughs> oh oui, c'est ta responsabilité. C'est bon alors, tout est clair on dirait. <laughs> Nous poursuivons tous à la fin avec ce reportage de Tarnan Ahmad. Après sa célébration, beaucoup d'obstacles se dressent devant les jeunes mariés, obstacles qui mettent fin souvent à cette belle histoire sentimentale, tissée récemment et souvent dans une furie totale, selon Idrissa Hassan Maïga. Tu vois une fille, vous allez sortir ensemble euh, pendant des mois ou une année, elle est soumise, elle respecte tes principes. Après, tu as de l'argent parce que tu étais jeune, tu la maries, quelques années plus tard, tu as des problèmes financiers, elle va te montrer un autre visage, et puis elle va s'y chercher. Euh, des problèmes avec euh, la grande famille. Ça va parfois conduire au divorce. tu vas auquel on est confronté dans les milieux sociaux euh, après le mariage. La vie du couple après la célébration du mariage nécessite beaucoup de patience, le courage et aussi le respect. Saleh Abdou Gwanda explique. Ils doivent être sincères avec eux-mêmes, prendre du temps à se connaître et à vivre modestement. C'est ça la base du mariage sans mensonge. Notre jargon dit que le mariage, c'est synonyme de patience. Tant qu'on ne peut pas tolérer, et ça ne peut pas aller. Il faudrait avoir le langage de la tolérance et du pardon. C'est ça le mariage. Conscient de toutes ces difficultés du mariage, les jeunes continuent néanmoins à se marier pour se conformer aux règles juridiques, coutumières et religieuses qui régissent la vie dans une société. Nous revenons vers euh, notre aîné, Oustaza Moustapha, quelquefois trop de confusion autour du rôle de chacun dans la gestion du foyer. Muna ganin wasu matasa sai su samari da su ni ban na son manjimil. Kamar suna so a ce kawai sun samu mace mai sauƙaƙa musu. Dole a ce he kina da wani babban albashi kina kama in ba haka nan ba kina da matsala da miji kina da matsala da 'yan uwan shi. a ce kawai kin zo cin abinci. In kana son mace c'est une étape dans la vie, le mariage là. tout ou tard, tu vas les faire avec une, une, une, fillette d'un tel ou la fille d'un tel. D'une manière ou d'une autre, tu vas le faire. Donc, avant de 5 ans, je te prépare. Et l'homme, il prend toujours le, le gros poids. C'est même en faisant ces, ces, ces, ces sacrifices-là que tu t'affirmes qu'on sache que tu es un homme. Oui. Mais si il faut se cacher derrière la vie, non, non, <laughs> euh, mangez-moi, quoi, et tout ça. <laughs> Non, là, tu n'es plus homme. Tu n'es plus homme elle, va, elle ne va plus te respecter. Quand vous aurez des enfants là, elle va leur dire que votre papa là, chine qui ça sa sa wando. Écoutons le titre Darling de Tiwa Savage. Baby fresh the be My darling, mm, baby, you're too much, Baby, C'était le titre Darling de Tiwa Savage. qu'est-ce qui détruit les relations conjugales de nos jours C'est quoi le problème Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui gâte tout, euh, tout, tous ces engagements, cet amour sur lequel akate an yi Anshriya, soyayya an shirya an hira shekara shekara da shekaru wasu watanni ana nan zamna koho gida cikin gida ana hira kuma yanzu an gani wasu nan da ya moi, je pense que, sincèrement, ce qui peut gâter facilement un mariage, c'est l'infidélité. Vraiment, de, chaque côté. Parce que, généralement, bon, les femmes, elles ont étudié, elles sont euh, indépendantes, tout ça, elles n'acceptent pas, comme nos parents, certains actes. L'infidélité, surtout des hommes, les sorties, tout ça. Et ça, ça les empêche de, de continuer cette route qu'ils ont empruntée tous les deux. Et puis malheureusement, il y a des femmes aussi qui font euh, ce genre de... En tout cas, c'est surtout ça. Moi, ce que je constate dans la société, c'est surtout ça qui gâte les mariages maintenant.

Eh, a ma e eh mijinki yayi kaza mijinki yayi on a vu ton mari elle a fait ceci et puis les femmes bon nous les générations maintenant on n'est pas patiente hein. <laughs> on, prend, ah, ah, ah, les téléphones on fouille non, non, non, on prend les téléphones on fouille dès qu'on nous raconte des choses on s'énerve on tape sur la table on n'est pas vraiment patiente comme avant donc du coup c'est comme nos mamans donc du coup ça gâte vraiment Sagat, moi, il y a ça, vraiment, il y a ça. Les femmes, surtout les, les, Voilà, mm. les, amis, les amis. Les amis qui viennent te raconter des choses sur ton mari, tout ça. Et lui aussi, on peut, on peut lui dire des choses sur sa femme. Ou, ah, euh, ta femme était sortie avec... Ou bien raconter son passé où tout ça là, c'est mm-hmm. des fois raconter des mensonges pour détruire le couple, vraiment. Moumouni, gareka ni yake iya bata arme nan da nan kai yanzu gashi nan kaga kayi arme kai ango ne ba a ma yi sati ba <laughs> ba ma yi sati ba gare ka me yake iya bata arman da aka zo aka aka zana an yi soyayya an yi hira ba abinda duka an shirya kuma yanzu a sai ka ji an ce kwana biyu ko wata biyu ko ku arme daga an shekara ɗaya ko daga an yi aihuwa guda shi kenan arme ya watsi gare ka me yake bata wannan armukan na matasan yanzu to moi je vois les, les divorces un mois deux mois après les mariages ina ga kaman mensonge ne za ke ci ko avant les mariages karya kawai ka tai ka ga yarinya ya kace mata kana da wani abu t'es quelqu'un, t'as des trucs, après zo gida elle va voir le contraire vois que tout ce que tu as raconté avant les mariages, c'est zéro, rien. moi, je, pense que c'est ça qui gâte les mariages un mois, deux mois après les mariages. Bon, après un an, deux ans, après un enfant, deux ans, enfant, tu vois le divorce là. Selon toi, c'est l'incompréhension, c'est quoi C'est les problèmes qu'on n'arrive pas à surmonter Pour les problèmes là, Dès qu'il y a divorce, il y a problème. D'après toi, ça se situe où Au niveau même des problèmes ou au niveau de la gestion des problèmes Les problèmes qui viennent ou la gestion Comment Non, non, la, gestion. Mhm. C'est la gestion, vraiment. Parce que après le mariage, on ne dit pas. C'est que suis, il y a des problèmes. Ça, ça ne manque pas. Mais comment gérer Comment gérer les problèmes C'est ça qui nous manque vraiment. Si tu arrives à gérer tes problèmes entre vous deux, là, il ne faut pas que ça sorte. Si vous gérez ça à la maison, toi et ton mari, ça can, voilà, mm. Mais dès que ça, ça commence à sortir, là, il y a forte probabilité à ce que ça, les mariages la gâtent. Ça, c'est clair. Ah oui. a ta yi justice ana zage-zage a telefon uwaye kowa sai ya ji a garin ma kowa sai ya ji ya kuka ga irin wannan shi kin san eh, duk abin da za ka yi ka yi shi tsakaninka da allanka tsakaninka da conscience kinka tadir eh, in ya zamanto kana ma mace karya ko yaranka karya ko mitar da sai an samu tsakanin tsakaninku akwai wani masanin eh, masani na addinin musulunci an ce mishi imam ghazali Il a écrit sur cikin shi la non-violence Il a écrit sur la non-violence ya a écrit eh, violence tsakanin mata da miji c'est le refus de faire à, cette personne-là ce que tu devrais lui faire, c'est-à-dire ce que tu lui as promis. Ce que tu lui as promis de lui faire. Oui. Et c'est comme ton enfant. La femme, c'est comme ton enfant. Elle sait que c'est chez toi qu'elle devrait avoir sa casse-croûte elle vient aujourd'hui, elle te demande ça parce que tout naturellement, elle sait que tu peux le lui faire. C'est toi qui tu ne fais pas. Tu dis que tu ne fais pas. Demain, elle vient, tu ne fais pas. Troisième fois, on va vous séparer. Le conflit va s'éclater entre vous. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de, de, d'égard, il n'y a plus de retenue, tout ça là. Tu ne représentes rien pour elle. Parce que tu es incapable C'est armé, C'est armé,

Bonsoir Olivier. Bonsoir Rabbi, j'espère que tu vas bien. Alors je vais commencer la chronique par cette information. Réunis le dimanche 7 juillet 2019 à Niamey, les chefs d'État de l'Union africaine ont officiellement lancé la première phase opérationnelle de l'accord sur la zone de libre-échange continental ZLEC. 27 pays l'ont ratifié, mais selon les économistes, de nombreux aspects restent à négocier. Une fois que les négociations sont closes, les pays africains pourront commercer entre eux sans barrière douanière. Et quel pays va abriter le siège Le siège de la zone de libre-échange continentale africaine sera au Ghana, précisément Toujours sous le plan continental, l'Afrique a maintenant sa propre agence de développement continental, c'est ça Oui, exactement. Lors du sommet de Niamey, le NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, change de nom. On parle désormais de l'Agence de l'Union africaine pour le développement. L'ODA poursuivra le mandat général du NEPAD qui consiste à transformer l'Afrique en améliorant le partage des connaissances, les partenariats et la mobilisation des ressources. Alors, quoi d'autre, Olivier Le 10 juillet, Code Local a été lancé. L'expression veut dire littéralement en langue germain l'école du codage. Donc, concrètement, à la rentrée prochaine, les élèves nigériens pourront s'inscrire pour bénéficier des cours de codage informatique. Ainsi, le Niger s'inscrit parmi les grands pays qui font de la révolution numérique et technologique leur vecteur de développement. Autre chose, Olivier You folks need to turn around. accident up ahead. Anything we can do? Oui, sur le plan cinéma, des nuits d'horreur se profilent. Annabelle réveille les esprits maléfiques de la salle qui dirigent leur attention vers une nouvelle cible, Judy et ses amis. Alors, la Maison du Mal était en séance depuis hier le 12 juillet vous pouvez suivre euh, la projection du film à la Blue Zone et vous pouvez aussi découvrir euh, en séance nouveauté le film sud-africain Félix sur un jeune garçon ordinaire au talent extraordinaire. Alors, chers amis, c'est la fin de cette chronique. Comme vous le savez, toujours, je vous le recommande et je le ferai toujours chaque fois que l'occasion se présente. Il faut essayer de faire des tours sur euh, les plateformes de demande d'emploi, ne jamais rater les offres de l'ANPE, toujours consulter l'Agence nationale de l'emploi qui est l'ANPE, aussi le quotidien il y a plein d'offres, plein de formations qui se profilent. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Olivier. <laughs> Donc, euh, nous étions avec euh, nos jeunes mariés, Oustaz Mustafa, donc l'ingérence de la société de la famille qui détruise les mariages des jeunes couples nigériens. Donc, yau in matsala ta zo cikin zama zaman armasu yayin da suke yi suna jeran wannan problem kin yayin da suke yi suna kare sirrinsu in abin da ya faru matsala ta faru in an tsaya an yi wannan kinshi a cikin sirri an samu sulhu cikin sirri komi amma a ci irin wannan sai kowa ya ji wannan ma yana bata armi yana bata arman matasa komi a ce sai ya hito waje kuma ba yi a hankali da rashin hankuri amma an da suka ce su wa'annan wa'anda muka gayyato rashin hankuri rashin hankuri da rashin a tsaya rashin zama ɗan kuma da ƙarya shine ke bata arman matasan matasan namu na Nijar. Lahin daɗi karewa kenan yanzu ƙarshen wannan shirin namu da duka haɗu fada muna ma duka matasa ban kwana n'oubliez pas de nous envoyer vos questions par WhatsApp. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus. Il suffit d'envoyer jeune au 80 06 88 54. Kada kumance duka masu shuraren wannan shirin namu na duka haɗu fada suna iya aiko mana tambayoyinsu a bisa kan lambar mu ta WhatsApp 80 06 88 54 c'est un jumeau.